Oui, euh, salut, salut, Gagne, salam alaikum, salut les gars, comment allez-vous euh, De la quoi. donc, le salut tout le monde. Voilà. Euh, euh le vidéo donc je fais cette vidéo là donc pour m'adresser au Sénégalais et puis voilà je commence par les rendre rendre un hommage euh, à tous les patriotes sénégalais qui croient au Sénégal, qui croient au projet et qui se sont donnés donc euh, pour euh, que ce projet puisse être réalisé. Nous leur disons félicitations, mais nous nous inclinons sur les 23 morts issus de l'accident donc sur la route de Louga. Alors donc nous présentons les condoléances à la famille. donc ñu ngi leen di jaalee ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo seen bakkan rot na ci accident bi ci Louga donc di leen wax ne seeni waajur alors donc di nuyu sénégalais ak patriotes yëpp di leen jaajëfal ci seen taxawaay di wax ne jërëjëf ci combat bi euh, di wax gars yi toujours nañu bàyyi xel rek xanaa di leen gën a ñaax rek pour ñu bàyyi xel pour ngeen bàyyi xel ci euh, ci li nga xam ne moom la ñu jublu euh, te xam ngeen suba suba defena à assemblée nationale dina yëngu suba may wax patriote dañ ci xel euh, xel ci projet bi xel ci li nga euh, euh, li di ran nga donc di dañuy doubler efficacité parce que tout simplement Sénégal mu ngi ci dernier virement gis ngeen li xew Niger coup d'état bi nek Niger euh c'est-à-dire c'est c'est une ère li ma len doon wax li yëpp waxon naa ko ko maa ko doon wax ma len dafa am ben ère bo xam mo nek di souffler euh, l'ère du patriotisme euh, tay amna ay militaires yo xam ne ay patriotes lañu tay ñom ñep ñi ngi taxaw les patriotes kon gis ngeen li nek di xew actuellement euh, Bazoum dañ ko dóor benn coup d'état mu ngi dañ ko téye ci palais am ne ko tap teg ko loxo actuellement gaay ñi ngi ci négociation yu tar mais négociation dafay échoué actuellement presque parce que ba léegi buntu amul mais Bazoum lu mu def dafa graw Bazoum ce qu'il a fait c'est dangereux c'est-à-dire no jël nigeria jëm jëli ay Balkan français ñi dax ko fële nga dugal leen Nigeria dem jox base base base base militaire euh, américain nga def fofu dem jëli ñëpp ñoo duggal ci biir ci sa biir gox paré pare nga né l'armée du Niger est inefficace face au au terroristes xam nga lolu président du ko wax ñet du wax lolu mom ak Macky Sall ñoo am tous comporte même même même c'est-à-dire Alassane Dramane Ouattara ak Macky Sall ñoom ñoo am. Ken Vous avez vu ces gens-là, ces factops de la France-là. Aujourd'hui, Bazou, qui insulte son armée, qui ridicule son armée, aujourd'hui est, coincé au palais par l'armée nigérienne. Parce que comment est-ce que tu peux dire un président qui, dit, oui, euh, l'armée est inefficace C'est grave. Un président d'un pays, tu dis que ton armée est inefficace face aux terroristes. Est-ce que, est que, est-ce que ces mots-là, honnêtement, un président doit le dire Il doit s'adresser, il, ne devait même pas euh, parler ces mots-là en tant que président. Aujourd'hui, ça lui a coûté cher, Bazoum. C'est une insulte pour l'armée sénégalaise. C'est la même chose au Sénégal. Ce régime pourri du dictateur Macky Sall qui insulte nos forces de défense et de sécurité en, les en, en, disant qu'il y a des forces occultes au Sénégal, il y a des terroristes au Sénégal, il y a des forces occultes au Sénégal. C'est la même chose que Bazoum. Parce que Bazoum, ce qu'il a dit, euh, euh, euh ce qu'il a dit à, son armée, oui, l'armée nigérienne est inefficace face au terrorisme. Vous avez vu aujourd'hui ce qu'il euh, là dans quelle situation il est Il est tenté de payer le pot cassé. C'était un coup d'État. Actuellement, ils sont en négociation. Le général a refusé. C'est pour vous dire que le patriotisme, c'est pas seulement les politiciens. Le patriotisme, même dans l'armée sénégalaise, il y a des patriotismes. Regardez l'armée sénégalaise, prenez l'exemple. Il y a un exemple qui est là. Regardez l'armée nigérienne, du Niger. L'armée du Niger, là. Regardez la position de l'armée du Niger. Le président qui sort, qui fait le con, hein, en s'adressant à son armée malhonnêtement, aujourd'hui ils l'ont arrêté. Parce que ce que Bazoum a fait, c'est grave. Bazoum a offert une base militaire aux Américains. Bazoum, oui madame, ça va. Bazoum a permis aux, Barkat, cherchés au Mali, de s'installer au Niger. Bazoum a permis aux Italiens de s'installer au Niger. Mais où est la souveraineté du Niger après ça, il revient pour insulter son armée, soit disant l'armée est inefficace face au terrorisme. L'armée du Niger est inefficace face au terrorisme. Aujourd'hui, Bazoum est, dans des sales draps parce qu'il y a un coup d'État. Tout de suite. Comme ça. Et si le général là, avec son équipe là, garde de présence et recule, ils seront tous tués. Donc, ce qui veut dire que il n'y aura pas de négociation parce qu'il n'acceptera pas. Il faut que Bazoum euh, euh, soit... Euh, euh, euh, euh, décapité. Il faut qu'il capote. Il doit quitter le pouvoir. Alors, c'est pour vous dire que le patriotisme, ce n'est pas seulement les politiciens. même, même les militaires maintenant, ils sont pour la souveraineté. Après le Mali, c'est le Burkina. Aujourd'hui, Niger. Hein? Centrafrique. Rwanda, tous ces pays-là, il y a un seul pays, mais Rwanda, Paul Kagame, il est militaire. Donc c'est le patriotisme, la souveraineté de l'Afrique, le changement réel, de l'Afrique. Ce pas les civils, les politiciens là. Les militaires, les vrais militaires, qui sont des patriotes, ils sont en train de prendre euh, le relais. Là où les civils, les politiciens là, ont échoué. Parce que les mots qui sont sortis dans la bouche du président du Niger, Bajou, pour accuser de l'armée sénégalaise, de euh, euh, l'armée du Nigeria, de son, de son pays, l'armée du Niger, d'incapable de faire face au terrorisme, lui a coûté cher aujourd'hui. Et maintenant, la CDAO, cette organisation hypocrite, l'Union africaine, cette organisation hypocrite, l'Union européenne, cette organisation hypocrite, tous ces imbéciles-là pondent des communiqués pour dire que ils ne sont pas d'accord avec le coup d'État. On s'en fout de la CDAO, on s'en fiche de l'Union africaine, on s'en fiche de, l'Union européenne. Voilà. C'est comme ça, les hommes, les vrais hommes, c'est ça le comportement des vrais hommes. C'est ce qu'on attend. L'île qui armée.

mais moi, mon mon le basum la le numéro le qui pas un petit di saga armée ne armée armée ay ay les ils sont pas efficaces pour dëgëruñu les kanam Les armes les armée bi na quoi armée bi na ko les les basum les gars ils ngi négocier pour ñu général bi parce que su le su ko général bi bu arrière dañ koy dañ leen amna na beneen côté armée bi amna ñi ñoo xam ne ànduñu ci amna ñi nga xam ne nañ ci débat yaa ngi mel ni tulleeg waaw ci Afrique Média mais li wër te wër le général là il va pas reculer Bazoum jeexal na Bazoum moom c'est fini parce que général bi xam na bu ko payé rek mom bakana mu ngi ci xoti gerte mom ak équipe donc daf koy téy tap violence la ñuy def xex day am Niger te Bazoum bakkanam du recc bu def loolu dafay Ray basum ba pare bu jàkkaarloo ak yeneen militaires yi bëgg a ànd ak basum mu xeex ak ñoom parce que la mu wax armée exactement Sénégal loolu la ñu teg loolu la loolu euh, régime Macky Sall teg ci kaw sénégalais yi ci armée Sénégal di leen accuser woy c'est-à-dire boo demee ba nga sa armée woy euh, force occulte yi ñu ngi fii hein, terrorisme dugg nañu ay force occulte ñoo nekk Sénégal ay terroristes ñoo nekk Sénégal yow yaa ngi ŋàññi armée Sénégal yaa ngi wone bon gars yi nii l'armée Sénégal ne joue pas les forces de défense et de sécurité ne joue pas le rôle ci régime Macky Sall gis ngeen ko fi 4 avril ban jógee na way force occulte terroriste petit bata nga gis un capitaine de la gendarmerie tek ci plateau weddi leen Bazoum lool la def tay accusé armée d'inefficacité gars yi ko dóor ko coup d'état tay coup de tabac nous noonu négociation bu tar donc c'est pour vous dire le patriotisme là du du du du politicien rek c'est pas les acteurs de la politique ont eu le patriotisme même les militaires patriotisme même comportement lañu l'armée xaar ci armée Sénégal amulen droit droit à réew mi tak wax la ko bu baax de te jëm ni ak l'Assemblée nationale en vie. ak lam bëgg a def bu ko l'attaque. réew il faut une armée patriote ngeen jël une responsabilité comme Niger nous y ses responsabilité les faits sont là c'est ce que je voudrais dire donc Lui. moy li nga xamne li xew pour que sénégalais ñi bañ ci xel pour que armée Sénégal xolaat taxawayam bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax actuellement média bi mi ngi tàkk ça sauf déglu leen fii. la souveraineté Les militaires allaient agir au Niger. Et voilà, ça se passe en mondial vision devant nous. Nous sommes une génération bénie, parce que c'est dans notre génération qu'on a vu au Mali que la France a été chassée, au Burkina que la France est en train d'être chassée, le Satan en train de chasser partout en Afrique. Nous sommes une génération bénie et nous ne pouvons que nous réfléchir par deux moyens. Il faut copier ce qui a déjà marché au Mali, ça marchait en Centrafrique, ça marchait au Burkina. C'est ce qu'il faut faire. C'est la résolution du moment. Le peuple avec les militaires qui gagnent. Et en deuxième position, il faut inviter incessamment, ça dit qu'il ne faut pas perdre de temps, il faut appeler Wagner pour venir sécuriser le coup d'État. Parce que ce que nous on entend ici, les nouvelles nous remontent ici que les Français veulent attaquer. Vous comprenez Les Français veulent attaquer. Ils veulent rétablir le soldat Bazoum. Et nous, ça ne va pas se passer comme ça. Il faut ne pas dormir. Il faut faire comme au Mali. Le Mali nous a déjà montré le chemin. On appelle Wagner pour sécuriser, un truc comme on appelle ça, la restauration de la démocratie et de la souveraineté africaine. Parce que Bazoum, ce n'est pas un président. On a toujours dit que c'est un bandit qui vient d'être enlevé, donc on ne peut pas pleurer sur son sort. Ceux qu'on applaudit, c'est ceux qui sont les patriotes qui viennent d'arriver. C'est pas des. Voilà. un coup donc, Christian Limanenoir, actuellement. Il faut appeler ça une restauration de la démocratie. Euh, Bazou, actuellement, les Français, l'armée française veut intervenir. Et les, le peuple du Niger est descendu avec l'armée sénégalaise. Le peuple est avec l'armée sénégalaise. Et maintenant, la France veut intervenir France ne veut pas que tu te bi léegi ñi Wagner pour Wagner donc gis nga tey fu France nous koy pousse pour nous tirer du continent africain il faut que Il Il que mbir mi leer partout c'est le vent de la souveraineté partout en Afrique c'est le vent du patriotisme voilà donc Bazoum est un pion de l'armée sénégalaise, comme euh, Bazoum est un pion de, la France. Bazoum est un pion de la France. Bazoum est un... Tu as vu, vous avez vu L'armée, l'armée occupée le décubi. encore, Armée occupée le décubi. Mingini, en direct. Oh, demna. Hein Mingini. L'armée, armée, il faut occuper, Mingini, en direct. Ils ont arnaqué tous nos chefs d'État. Ils ont beaucoup. C'est la France qui sont des vaillants. Arnaqué tous les chefs d'État. Regardez. En Europe là-bas qui seront bloqués. Regardez. Euh, je, lance un appel à tous nos chefs d'État, euh, qu'ils soient, bons ou mauvais, ils n'ont qu'à déclarer leur bien. Tu as vu Donc, France. Euh, France de l'Aignac. parce que France ne vous pas def comme nous faire defoon ci Côte d'Ivoire armée bi jënd na ñëpp jënd nañu ils font il faut appel à Wagner pour Wagner Niger non parce que ce Bahoum est un pion est un pion euh, de la France comme Macky Sall nous sommes un pion de la France comme euh, Al Sandra nous nu est un pion euh, de la Côte d'Ivoire alors aujourd'hui le Niger est en train de poser des actes de la souveraineté du patriotisme merci on se donne rendez-vous sur live sur YouTube d'abord Dabakh Patriot